Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la poursuite à Difa, la capitale du manga, de la 43e édition du championnat du sabre national. Ensuite, nous parlerons de l'inauguration mercredi de la nouvelle centrale thermique de Zander doté d'une puissance de 22 MW par le président de la République Bazoum Mohamed. L'actualité, c'est aussi la présentation mardi du rapport d'exercice 2022 par la Commission nationale des droits humains, CNDH, dans lequel il y a la mission d'investigation, de euh, vérification et d'établissement des faits relatifs aux événements du 24 octobre 2022 dans la commune rurale de Tamou au département de Saï. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi et 30 décembre par la 43e édition du championnat du sabre national. Poursuite à Difa des combats par région entrant dans le cadre du sabre national Difa 2023. À la mi-journée d'hier jeudi, sur les 80 lutteurs en lice, 11 restent invaincus. Ainsi, et pour les invaincus, Agadez à 1, Dosso 3, Maradi 2, Tawa 2, Zender 1 et Niamey 3. Mamoudou Diado, après la cérémonie officielle euh, d'ouverture euh, du sabre national vendredi 23 décembre 2022 au stade de la Concorde euh, des Difa. Les combats par région ont débuté le lendemain samedi 24 décembre 2022 avec à la clé plusieurs combats à l'affiche. Que peut-on retenir au sujet de l'organisation de cette 43e édition du Sabre national pour ce qui est de l'organisation, cette fois-ci, bon, ça a été bien organisé, je pense. Bien que ça n'a pas été organisé dans l'arène, au stade. Oui ils, ont, oui, ils ont quand même justifié le pourquoi de ce déplacement euh, de l'arène au stade euh, de Difa parce qu'ils ils ont dit que c'est pour des mesures de sécurité. Et c'est vrai, nous sommes euh, dans une situation d'insécurité, donc il faut prendre des mesures, il faut prendre des précautions et tout. Et c'est justement, ils disent que la reine ne peut pas prendre, contenir autant de monde. Donc euh, c'est ça qui... Il y a aussi les inondations, la montée de la Koumadougou qui a frappé. Voilà, et surtout que je pense que la reine est à côté du marché, donc euh, c'était pas vraiment adapté selon eux pour que la lutte euh, traditionnelle se passe dans euh, de très bonnes, euh, très bonnes conditions. Voilà en fait ce, qu'ils ont eu à expliquer. Et moi je me dis que jusque-là, on n'a pas encore en tout cas eu d'incident par rapport à l'organisation. Tout se passe normalement, c'est bien. espérons, espérons que à l'avenir aussi, ils vont tenir compte, par exemple, de revenir sur parce que la lutte traditionnelle, ça se fait dans l'arène. Plus vous délocalisez ça pour amener dans un stade, donc là, on ne parle plus de lutte traditionnelle. Parce que quand on parle de tradition, il faut également aménager l'endroit approprié pour pouvoir le faire. Peut-être que l'année prochaine, ils prendront d'autres mesures, soit pour agrandir l'arène, soit également délocaliser, par, exemple, le marché qui se trouve à côté de l'arène de lutte traditionnelle. Je pense, hein, moi, c'est... Selon en vous, l'organisation a été parfaite Bon, je ne dirais pas, on ne peut pas dire que ça a été totalement parfaite l'organisation parce que de toutes les manières, il y aura toujours euh, des quiproquos. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est à 100% aussi. Des quiproquos qu'il faille réorganiser ou bien qu'il faille tenir compte pour que l'année prochaine, ça ne soit plus euh, des désagréments vis-à-vis -vis donc de l'organisation. Ousseini Sajibo, les rencontres et les combats dans le cadre de cette 43e édition du Sabre national sont-ils à la hauteur des attentes des Nigériens bon, D'abord, Mokta, moi je suis la lutte actuellement à la radio. je pas, regarde pas, la... télé Non, non, non, je regarde la radio. Parce que je considère que la lutte est de nature les depuis règlements. Quand, depuis quand cette année ou bien ça a commencé Non, ça a commencé depuis les années dernières. On a des natures on parle de lutte traditionnelle. N'est-ce pas Selon vous, ça n'a rien de lutte Non, non, non. On a venu, on a mis des, dispositions, machin, 5 minutes de lutte, 2 minutes de repos, 5 minutes de marche, après vous, arme béni N'est-ce pas Boubéné, ça veut dire Mourir debout. Mathieu. Oui. Non. Alors, moi, je connais les balas que, les Kantou, quand ils luttaient à l'époque, qui, ont, qui sont les. La lutte, on dit la lutte, n'est-ce pas C'est la force physique, la technique. Aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez ce qui se passe. Quelqu'un, il vient. En 5 minutes, on vous donne 5 minutes. Et même les lutteurs se plaignent de ça. Et même ceux qui connaissent la lutte se plaignent de ça. Et il y a eu même des, des, des, émissions autour de ça. Essayez de revoir. on ne peut pas moderniser. On fait la lutte traditionnelle. Vous êtes deux gaillards, en cinq minutes, c'est pas évident. Si vous avez le même gabarit, c'est pas évident. On vous donne deux minutes de repos, vous revenez encore, c'est pas tellement évident. Mais maintenant, comme les jeunes gens qui commencent à monter aujourd'hui, ils mettent la technique. Ils font judo, ils font aikido, ils font, ils mettent toutes ces techniques là dedans. Ça fait que, quelle que soit ta force, quel que soit ton gabarit, tu vas trouver sur un jeune qui va te terrasser. Ça, c'est le premier aspect. Ça fait que je ne suis pas parce que c'est énervant n'est-ce pas Deuxième chose, ce que je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de régions monopole où on considère, voilà, cette région qui, voilà. À l'époque, on sait d'avance. Quand on parle de Niamey, on dit y a qui à Niamey. Quand on parle de... Tilaberi. Quand on parle, à l'époque, c'était Tilaberi d'abord, au tout départ. Il n'y avait pas Niamey comme euh, région. Euh, c'était Tilaberi. Quand on parle de Tilaberi, on considère que non, c'était juste un accompagnant. Mm n'est-ce pas On parle d'autres régions comme Difa, tout ça. Aujourd'hui, le mythe là est cassé. Aujourd'hui, quand vous venez, et on, on, on, observe ce qui est en train de se passer, c'est des régions qui infligent des loups à des régions comme Zender, comme Tawa, comme... comme qui, étaient les greniers... Qui étaient Karma. Mais qu'est-ce qui a expliqué ça C'est que les gens, quand ils vont pour la, formation de la sélection, ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Ils viennent dans ces régions-là. Tilaberi, Niamey, un peu Difa. Même Difa est en train de se relever. C'est seulement Difa qui n'a pas gagné encore de sable, à ce que je cherche. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont debout et tous ceux qui se rendent dans l'arrêt, là, les lutteurs, ils sont conscients que <clears throat> ils ont affaire à des gens qui ne sont pas des, des, comment on appelle ça, des, novices. Ils connaissent quoi la lutte. Ils sont venus s'enrôler ici dans l'équipe de Niamey parce qu'ils savent que là-bas, dans tous les sports, il y a des combines, des machins soutenus. Ils savent que là-bas, ils ne vont pas être maintenus, mais en venant ici, ils peuvent se. Mais ils montrent la différence, ils montrent que moi, je suis venu lutter dans l'écurie de Niamey ou l'écurie de Tilabé ou l'écurie de, de Difa. Je suis capable de démontrer à l'autre que je peux les terrasser. Ça, c'est le côté positif et ça montre que ça avance. Au niveau de toutes les régions, il y a des écuries qui sont valables. Il n'y a pas une écurie à l'époque, on dit Tawa, Maradi, Zendela. Non, non, non. Il ne faut pas s'attendre à ce que Agadez ou Difa ou Tilaberi ou Niamey remportent. Aujourd'hui, tel que j'ai suivi à la radio jusqu'ici, Niamey a toutes les chances aujourd'hui de, pouvoir plus un peu de remporter. Et Dosso également. Alors, allez même Dosso, j'ai oublié de citer Dosso. Parce que ce pas des régions où les gens, <laughs> ils en ont fait une activité. Voilà ce que je peux dire. Mais je pense que c'est, il faut revoir les règles. Il faut revoir les règles. Et on ne peut pas adapter ce que nous, nous faisons. On ne, sait pas ce que, on ne peut pas adapter ce que nous faisons. Nous, nous le faisons avec les Sénégalais en Afrique. En tout cas, nous sommes reconnus comme étant un pays où la lutte est un sport très prisé, comme le Sénégal, où quand vous voyez les lutteurs, c'est des écuries. Quand vous voyez les lutteurs, c'est des gens, ils vivent de la lutte. Ils sont des multimilliardaires, souvent. Alors, nous, on crée une situation où, parce qu'on veut s'adapter à la CDAO ou des choses comme ça, on transforme ce que nous, nous avons comme valeur. les gens viennent avec kilotes. Alors qu'à l'époque, c'était avec les walkis avec euh, tous ceux qui ont comme pour mystifier un peu euh, l'adversaire, le côté mystique. Tout est en train de se perdre. Le gars vient avec juste une culotte, il se on le terrasse parce que c'est devenu fond commerce. Merci beaucoup Ousmane Isajibo Ousmane Sidikou, que peut-on retenir de cette 43e édition Peut-on parler du progrès ou de recul merci euh, Mokta. Vous savez, les éditions se suivent, mais sont loin de se ressembler. À chaque édition, son lot euh, d'avantages et d'inconvénients. Maintenant, l'avantage comparatif, c'est euh, vraiment jusque-là, les choses euh, semblent aller comme cela se doit, à la grande satisfaction de tous les acteurs, indépendamment du petit quoi que, qui a été réglé, je pense, euh, où l'accès aurait été interdit à nos confrères de la presse privée pour des raisons que nous savons, mais heureusement que les gens sont travaillés, tout est rentré dans l'ordre, ils sont partis au même titre que les autres presses pour la couverture médiatique euh, de ce grand événement. comment expliquer ce acte-là Vous savez, en toute chose, hein, il y a des gens euh, qui veulent être plus royalistes que le roi. Je ne comprends Jusqu'à aller interdire la presse privée. vraiment, je euh, pense que c'est, en termes de recul, ça c'est un recul. Parce que de toutes les éditions dont moi j'ai souvenance, au même titre que la presse publique, la presse privée a joué sa partition dans le cadre de la couverture de ce sport roi. Parlons maintenant des avantages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement parler euh, d'avantages Moi, je ne veux pas épingler de progrès. et, vous savez, Hussein l'a dit, au risque de le, le répéter, la lutte a perdu son côté. Moi, je me rappelle, quand il a son côté engouement à l'époque, quand quand c'est la lutte, je vous assure, vous faites surtout quand il a dit, quand c'est les, les, régions, les titans qui, qui s'affrontaient, je vous assure, le tablier du, du, quartier, le boutiquet, vous pouvez même venir prendre des parties sans que tout le monde est concentré, chacun est, arrivé sur son petit poste et la preuve, je vous assure, à, l'approche d'une édition de lutte, les, les, petites radios là se vendaient comme pas possible, même vous à, avec les rues, il circulait. Aujourd'hui, la lutte, au regard de tout ce qu'elle a subi comme réforme euh, qui tendent à la moderniser, à, la dénaturer. C'est vrai, on veut peut-être trop copier, mais il faut copier en bien. Le Sénégal, dont, euh, qui est peut-être le référent en Afrique, euh, le Sénégal, il a professionnalisé la lutte. Or, ce n'est pas, pas le cas chez nous. Indépendamment de la lutte traditionnelle ou bien de, de, l'édition, euh, rares sont ceux qui vont ailleurs dans les autres pays pour pouvoir euh, monnayer leur, leur, talent. Moi, je pense que c'est des valeurs euh, sur lesquelles les gens doivent revenir, vraiment revenir. Je parlerai aussi du nomadisme. Aujourd'hui, aujourd'hui si vous pensez que pour des raisons qui vous, qui vous sont propres, vous n'avez pas autant de chance d'être sélectionné, sélectionné, dans, dans votre région euh, facilement vous êtes coopté euh, euh, pour, aller ailleurs. Et du coup, ça réduit les chances de la région si toutefois vous êtes vraiment une valeur sûre de la région. Moi, je pense que c'est de mettre des garde-fous. Aujourd'hui, entre autres objectifs, c'est la cohésion nationale, le renforcement de la cohésion, la consolidation de la paix. Il faut qu'on revienne aux valeurs d'entente de cette lutte-là pour que cette lutte-là puisse vraiment retrouver toutes ces lettres de noblesse qui plus est suscité d'engouement qu'elle suscitait auparavant. Merci beaucoup Ousmane Sidikou. Mais Diado, selon vous, quelle est la rencontre qui a le plus attiré l'attention des Nigériens, selon vous Ah, là, c'est notre problème, parce que je ne sais pas si je peux répondre à ça parce que véritablement, j'ai pas suivi les, matchs comme il le faut. Hmm, les combats. les combats comme il le faut. Je les ai pas suivis. selon vous, <laughs> euh, quel combat a le plus attiré l'attention C'est ce que Hussein dit. Aujourd'hui, euh, si c'était euh, auparavant, dès qu'on dit qu'il y a affrontement les gens, les vont s'attendre vraiment à un véritable choc des titans. Aujourd'hui, il est clair que qui aurait cru que Zender puisse être laminé comme il, il est en train d'être laminé en tant que région

Ça veut dire que toutes les régions se valent. Donc vraiment, au regard des jeunes qui sont euh, pratiquants d'autres, d'autres arts et euh, qui connexes à la lutte traditionnelle, les régions se valent. La preuve, vous voyez, les régions d'antan qui vraiment qui avaient le lead, elles ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pronostic sûr ou dire que c'est telle région ou telle région. Non, attendons voir in fine. Et moi, je suis sûr que euh, la finale risquerait de réserver beaucoup de surprises. Il ne faut pas se fier au nombre de lutteurs dont dispose une région pour lui dire qu'elle a des chances là Une région peut avoir un seul lutteur invaincu et ce lutteur invaincu peut, peut, peut, remporter euh, le, sabre. Ça a été démontré plusieurs fois. au Issa Djibo, euh, au niveau des invaincus, euh, qui a le, le plus de chances pour remporter euh, le sabre national Je ne saurais le dire. Je ne suis pas. Du sabre. Hein, oui, je, je, Non, non, non. En fait, moi, moi je saurais le dire. Honnêtement, je ne suis pas un des je ne vais pas me mettre à dire. Voilà. Peut-être aussi. Non, <laughs> moi j'observe les choses telles que. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là aujourd'hui, qui associent pas lutte traditionnelle, les arts martiaux modernes, qui sont capables de faire des merveilles. Et moi, je ne crains pas. Aujourd'hui, tous ceux qui sont debout actuellement, moi, je dis, ils sont tous capables d'aller brandir le sable. Le, le, voilà. Selon vous, Maimouna, parmi ces invaincus-là, euh, qui peut remporter le sabre national Moi, je vois Isaac Isaka. Le détenteur <laughs> je, le vois. Hein. J'ai dit. Je... mon avis quand même. <laughs> ah, oui, c'est vraiment si j'ai pas, j'ai pas. Ousmane, si rapidement. Moi, je vois Isaac Isaka. Bon, moi, en tout cas, loin d'avoir cette boule de cristal devant moi, le jeune Aibo de Maradi, est vraiment, moi, je pense qu'il a euh, tellement d'atouts à faire valoir. Il y a même un jeune ce matin qui a lutté contre Moussa, comment il s'appelle uh-huh. Moussa Abdoulaye de, Maradi, de Maradi qui est très technique uh-huh. et qui a fait chuter Moussa Abdoulaye qui est quand même, quand même jusqu'à jusqu'à là C'est pour ça que j'ai dit, moi, je ne fais pas de pronostic pour dire, parce que les jeunes gens-là, aujourd'hui, ils, ils se contentent pas, ils sont capables de tout. Merci à tous. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum euh, de la presse. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a procédé ce mercredi 28 décembre à l'inauguration de la nouvelle centrale thermique du Zander dotée d'une puissance de 22 MW, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Elle a été construite dans le cadre du partenariat public-privé entre l'Institut Mar West Africa, société mauritanienne, et le gouvernement nigérien pour un coût de 14,4 milliards de francs CFA. Cette centrale thermique est conçu pour euh, fonctionner en pétrole brut nigérien tout en respectant les normes environnementales. La consommation des besoins en énergie électrique des populations de la ville de Zander est de 11 MW en période normale et 16 MW en période de grande chaleur, précise la même source. Ousmane Sidikou, Zender, euh, capitale du Damagaram, ville historique et riche d'une culture euh, séculaire, euh, dispose désormais d'une nouvelle centrale thermique dotée d'une capacité ou bien d'une puissance de 22 MW avec un besoin estimé à 16 MW en période de grande chaleur. Peut-on affirmer que les désagréments dans la fourniture de l'énergie électrique euh, sont désormais derrière les Damagarawa ça, c'est la question à 1000 dollars, comme dirait l'autre Mokhtar. Euh, en son temps, Niamey en a bénéficié euh, d'une telle Gourbanda. dont les gens l'appelaient autrement, de façon péjorative. C'était pourquoi C'est pour pallier vraiment à, la fourniture en énergie de la ville de Niamey, au mm. désagrément que les populations subissaient, surtout pendant les périodes de coupure. Si tant est que euh, les raisons pour lesquelles euh, cette euh, centrale de 22 MW à hauteur de presque une quinzaine de milliards a été installée, si tant est que c'est pour vraiment pallier, ce serait une très bonne chose. Mais nous avons souvenance, malgré le tapage, malgré le fait qu'on nous ait rabâché assez les oreilles quant aux avantages multiples liés à l'inauguration de la centrale de Gourbanda à l'épreuve des faits. Qui plus est, à l'époque, on maintenant ce qu'on ne sait, on n'a n'est même pas en période de canicule quand, nous subissons les, coupures d'électricité, pardon. Mais si tel est le cas pour Zender, bon, attendons de voir. Mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que euh, vraiment euh, que le bout du tunnel soit derrière, euh, soit pour bientôt pour les populations de Zender, ça m'étonnerait fort. Mais attendons de voir, attendons de voir, puisque les différentes centrales euh, j'ai entendu le ministre, euh, il y a une quinzaine de villes qui sont attendues euh, pour être dotées d'une telle centrale. Moi, je pense qu'il aurait fallu que la centrale de Zender fasse soit ce ballon d'essai là pour que ce qui a été fait soit capitalisé, ce qui n'a pas été marché puisse être revu et amélioré. Mais comme disent les British, wait and see. Ousseinissa Jibo, comment consolider les acquis en matière de fourniture de l'énergie électrique au Niger Comment consolider les actes Non, j'ai dit, tu as tout fini. En conseil des ministres, là, cette année, on allait augmenter le prix du kilowattheure. Sans conseil des ministres, hier, ils ont décidé que de déférer ça, de différer ça jusqu'en 2020. L'année prochaine. L'année prochaine, alors. On dit on est en train de renforcer les capacités. Au lieu de soulager les populations, on pense à augmenter. Est-ce que les salaires sont en train d'être augmentés On connaît le coût de la vie, n'est-ce pas, qui monte de manière crescendo. Mais on envisage seulement de surcharger les populations à la base parce qu'eux, ils ne payent pas l'électricité. Ils ne payent pas. Maintenant, ceci étant dit, ces, réalisations-là, on fait beaucoup de tapage autour, mais au bout du compte, on, se rend compte quelque part que la montagne, a accouché d'un sourire. Quand on faisait Gorbanda ici, on a entendu tous les discours. Non, non, non, Gorbanda, c'est fini, les copains intensives. Même hier, moi, j'ai subi des coupures. Selon vous, c'est une manière euh, de pouvoir augmenter sur euh, le prix du kilowattheure De faire grimper le prix du kilowattheure Non, ils ont fait la réalisation. Est-ce qu'on a expliqué aux gens dans le cadre de ce partenariat, à la PPI, là Partenariat public. Est-ce qu'ils ont expliqué dans les détails comment ça se passe avec la société marocaine euh, euh, Est-ce qu'ils ont dit ça aux gens n'est-ce pas Ils sont venus avec un partenaire qui a décidé de faire les investissements nécessaires et tout et tout. Est-ce qu'ils ont dit concrètement comment ça va se passer Quand ils ont fait Bolloré là. Selon vous, il y a des zones d'ombre. Mais non, mais il faut être clair en matière de partenariat public-privé pour que les citoyens, c'est pas parce que vous êtes décideur que vous ne sortez pas pour dire aux gens voilà comment les choses vont se fonctionner. N'est-ce pas Mais parce que le monsieur qui est venu avec son argent, la société mauritanienne qui est venue, il est venu parce que les beaux yeux de Nigérie non, il veut rentabiliser ce qu'il a mis en place. Est-ce que comment ça va se passer C'est bien beau de dire on a fait tel investissement, tel investissement. Mais non, on le fait sur les, avait les fonds publics, les ressources de l'État. C'est les impôts, c'est les, les qui sont mobilisés avec les citoyens et tout et tout. C'est les dettes qui sont contractées au nom des citoyens. Il faut être transparent à ce niveau pour montrer que ce qu'on est en train de faire, c'est bien beau, mais ce n'est pas que vous allez continuer à payer plus cher. Parce que si c'est ça, ça pose un problème. parce, que, vous, ça il faut s'attendre à une hausse des prix mais ils ont dit, dans les années à venir. s'il te plaît, ils ont déjà dit ça. Ils ont dit en conseil des ministres, ils ont décidé de... Ça devait entrer en vigueur avant la fin de l'année, là n'est-ce pas Quand il y a eu déjà le problème de, comment on appelle ça, où il fallait augmenter eh, le prix du gasoil, où il fallait, ils ont déjà posé le problème pour dire, non, si on ne peut pas augmenter le gasoil, c'est que ça va se répercuter sur le prix du kilowattheure, ça va se répercuter sur le prix du gaz. Maintenant, ils ont trouvé le mécanisme là. Mais quand ils sont en train de pomper les caisses de la SONIDEP et pour pouvoir régler des problèmes politiques, est-ce qu'ils ont dit aux citoyens qu'il faut renfler les caisses aujourd'hui et que les citoyens doivent payer Est-ce que c'est comme ça qu'on gère je te pose la question. Est-ce que c'est comme ça où on vient, on dilapide et on dit aux citoyens, eh, mobilisez-vous pour pouvoir euh, maintenir à flot une société On a fait une société, moi je suis d'accord, c'est bien. Si ça peut permettre de résorber le problème de coupure dans la région de Zender, parce que d'après les explications que j'ai suivies, ça peut permettre, au-delà de Zender, de couvrir d'autres régions comme Maradi jusqu'à Tawa. N'est-ce pas C'est ce que j'ai entendu dans les commentaires qui ont été. Pour moi, je prends avec des pincettes. Hein. Je suis tellement vacciné que quand les gens viennent raconter leur vie, là, moi, pour moi, j'attends, voir. Gorbanda, là, on nous a tellement martelé. Moi, je pensais que c'était fini avec les histoires. On a connu des coupures de 48 heures. Il y a des zones où il n'y a même pas. à cause de la coupure, souvent, il n'y a même pas d'eau. Alors, alors, Mokta, quand j'ai le discours, là, moi, je ne crois plus au discours. Hein. Merci beaucoup, Issa Sajibo. Memoune Diado, en dehors de l'énergie électrique, quels sont les autres besoins et autres attentes des populations de la ville de Zander Moi, j'aurais bien voulu qu'on règle cette situation d'eau. D'eau potable. D'eau potable. À Zander, avant d'entamer une construction de centrales électriques. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est bien, c'est bon, c'est les populations qui vont en bénéficier. Mais est-ce que c'est le grand nombre de cette population qui va, en tout cas, bénéficier de ça Je ne pense pas. Parce que si on regarde déjà qu'on veut augmenter le prix du kilowatt, pour des populations qui n'ont pas d'abord de l'eau, qui n'ont pas en, fait l'eau potable. Et, l'eau potable. Peut-être que ce projet dans les pipelines euh, le projet dans le peuple, hein, il faut pas, <laughs> il faut pas être trop optimiste. Hein. Il y a tellement de, localités aujourd'hui au Niger qui euh, manquent qui manque crucialement d'eau potable. Même à Niamey, certains quartiers sont. Moi, j'ai dans mon quartier, ça me fait deux mois. que vous êtes sans eau. Deux mois où l'eau, on prend l'eau le matin à partir de 6 heures et on ramène l'eau à partir de 19h ou 20h ça fait presque deux mois, sans communiquer rien. Et les populations sont en train de subir. Donc, si vous ne réglez pas le problème d'abord de l'eau, moi je pense que... Voilà. Parce que celui, l'eau est plus important à mes yeux que le courant, que l'électricité. Donc, ils ont déjà, tout le monde a vu euh, à Zender, chaque fois, on parle de ils sont en train d'arranger l'eau, mm. le problème d'eau, c'est fini, mais le problème d'eau ne finit pas. On vient, on dit le courant, aujourd'hui, celui qui se trouve dans le fond-fond, par exemple, de Zender, là, qui n'a pas la possibilité d'avoir l'eau, est-ce que cette même personne fera, <laughs> en tout cas, aura euh, l'accès au courant à l'électricité. Selon vous, le décideur public aurait dû euh, anticiper euh, Il fallait demander d'abord la population. Euh, les avis des, des, avis. Quand vous voulez faire un projet, demandez d'abord qu'est-ce qui est crucial. L'expression des besoins. Voilà. Et en fonction de ce que vous allez recueillir comme besoin, là, vous mettez, vous faites votre réalisation. Moi, je pense que c'est encore plus mieux et c'est plus bon. Aujourd'hui, les populations qui ont applaudi, ce n'est pas toutes les populations qui ont applaudi. Aujourd'hui, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de l'accès au centre de santé. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos régions là-bas. Mais bon, comme même. Vous la même a des problèmes, puisque je viens de relater tout de suite là le problème dans lequel nous nous sommes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous ne partez pas vers la population, vous ne demandez pas l'avis de ces populations-là. Mais quand vous faites des réalisations, mais est-ce que vous voulez cette partie de population qui sort pour vous applaudir C'est pas toute la population, moi je me dis les populations sortent pour applaudir parce qu'ils doivent sortir pour applaudir. Merci beaucoup, Mme Gada Ousmane Sidikou. Euh, cette centrale euh, thermique est conçue pour fonctionner en pétrole brut euh, nigérien tout en respectant les normes environnementales, je l'avais dit tantôt. C'est cette même société mauritanienne qui a construit une centrale thermique de 22 MW à Niamey. Rappelle-t-on, la coopération sud-sud a-t-elle des beaux jours devant elle Faut-il privilégier cette même coopération sud-sud pour le développement des États africains en majorité pauvre <coughs> Cette coopération sud-sud allait vraiment être euh, applaudie et faire l'unanimité si tout se fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire en mettant au devant cette question cruciale et impérieuse de la redevabilité. Hussein l'a dit, le l'investisseur qui vient, le partenaire qui vient, il ne vient pas au nom de cette coopération sud-sud, il ne vient pas au nom de, du fait que nous sommes du même continent, il ne vient pas, il vient pas pour tant, tant, tant raison, mais euh, il vient, c'est parce qu'il va trouver ses intérêts. Donc c'est pour cela que redevabilité oblige, il faudrait expliquer aux uns et aux autres comment euh, ce partenariat a été contracté. Euh, la cote-part euh, qui se devait de venir à l'État du Niger. Comment, comment, comment Vraiment, c'est vraiment de tout expliquer. C'est pas détaillé. C'est aucunement. C'est un flou artistique. Le gars, il est venu, il a fait son discours. Bon, voilà, voilà, et il s'est il, auto-encensé à travers sa structure. D'accord, mais à long terme, moyen long terme là, comment est-ce que les choses vont pouvoir se faire, le règlement. Donc moi, je pense qu'à l'avenir, ils ont cité une quinzaine de villes dans lesquelles, à moins que ce ne soit pas la même société, où cette centrale-là, euh, euh, ces, centrales-là vont être installées. Moi, je voudrais voulu que, c'est vrai, tout est prioritaire, mais sur une échelle de priorité, il faudrait, il faudrait que nous sachions vraiment ce dans quoi nous allons investir et qui pourrait impacter sur la vie, euh, le, développement. des, des communautés. Même si c'est dans le domaine énergétique, il faudrait que vraiment les gens soient clairs. Il ne faudrait pas que l'on vienne à travers une certaine opacité bon voilà, voilà, on a contracté dans le cadre du partenariat public-privé, bon voilà, et que euh, les répercussions euh, puissent se, faire ressentir sur des générations après. Voilà ce qu'il y a à dire. Merci beaucoup, Ousmane Sidoukou. Vous, avez quelque chose à ajouter, Ousmane Issa Ce que je veux dire, moi, par rapport à cette affaire, moi, je me méfie. Je me méfie. Pourquoi Je me méfie tout simplement, je dis c'est bien. Ils sont venus, mais quand qu'on ne fait pas la promotion de la transparence, c'est ce vous vient de le dire. Le monsieur, c'est pas parce que le Niger lui plaît. C'est parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. Il faut faire la transparence pour qu'on sente que, effectivement, ça ne va pas impacter sur, de manière négative sur euh, la vie des populations à la base. Quand on parle d'augmentation pendant qu'on est en train de renforcer les capacités de production, c'est à ce moment qu'on parle de renforcement, on envisage augmenter le coût du kilowatt, alors que le niveau de vie des populations sont en train, les gens sont en train de, descendre. Comment dire, c'est la descente. Alors, qu'est-ce qui se passe alors Ça veut dire qu'on fait des réalisations, mais tenez-vous bien, c'est que vous allez payer cher. Ah Malgré votre situation de misère, vous allez devoir, même s'il faut aller voler. Voilà un peu comment je conçois ces politiques qui sont en train d'être menées aujourd'hui. Ce n'est pas pour faciliter la vie aux gens, c'est pour plus mettre les gens dans des difficultés parce que ton mec salaire que tu gagnes là, si tu dois payer le kilowatt qui va passer peut-être à combien de francs, aujourd'hui le gasoil, quand on l'a augmenté, tout le monde sent ça dans, dans sa poche. Parce que le gasoil, c'est le transport, le gasoil, c'est les services, le gasoil, c'est pratiquement beaucoup de choses. Merci bien à tous. On a servi une courte pause. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a présenté mardi 27 décembre à la presse son rapport d'exercice 2022 dans lequel il y a la mission d'investigation, de vérification et d'établissement des faits relatifs aux événements du 24 octobre 2022 dans la commune rurale de Tamou au département de Saï. Il ressort que 11 civils ont trouvé la mort et 25 blessés. Ousse partant du rapport de la Commission nationale des droits humains présenté mardi 27 décembre à la presse et dans lequel il y a euh, cette mission d'investigation au sujet des événements euh, du Tamou, Quelle est votre propre opinion à ce sujet Hier seulement, j'ai lu le rapport de synthèse. La synthèse, pas le rapport intégralement, j'ai un peu vu comment le travail a été conduit de manière vraiment ouverte, parce qu'on a associé beaucoup d'autres acteurs notamment, et bien évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas le faire parce que tout simplement, il fallait que tous ces acteurs-là soient là pour pouvoir témoigner, n'est-ce pas Et ce que j'ai retenu de ce rapport, c'est que, bon, ça met mal à l'aise le pouvoir. Et pourquoi Parce que tout simplement, au départ, ils ont dit qu'il n'y a que 7 et 24 blessés. Et les 7 sont des terroristes. Ils sont arrivés à la conclusion, à l'issue du rapport, que c'est 11. On a même trouvé des corps, deux corps dans des, dans, un puits, dans des galeries, n'est-ce pas Le pouvoir avait mis de côté karma cette hypothèse-là. Bon, déjà, ça montre un peu que on voulait forcément taire cette affaire. Il fallait pas que ça prenne de l'ampleur. Ça, au moins, c'est clair, n'est-ce pas L'autre aspect de la chose, quand ils acceptent de dédommager, parce qu'ils sont allés présenter le rapport à président Bazou, le président a dit, parce qu'ils ont formulé cette recommandation, il faut dédommager les familles des victimes collatérales. N'est-ce pas Bazouma a donné des instructions, il a même demandé à la commission d'informer l'opinion qui vont être dédommagés, non seulement les, morts, les, parents, les proches, et, les blessés, mais les blessés. aussi vont être dédommagés. Mais maintenant, on dit il faut pousser les investigations. Parce que jusqu'ici, ce qui est flou dans l'affaire, ce qu'on ne dit pas. Ces terroristes-là qu'on est allé enterrer, au cimetière là. Jusqu'ici, on est dans le flou artistique. Est-ce vraiment des touristes ou des simples repailleurs Jusqu'ici, on n'a pas expliqué à l'issue des, rapports de la commission, on n'a pas pu déterminer exactement l'identité de ces sept-là. Donc ça, pose problème À ah, moi, ça pose problème à mes yeux. Parce qu'on dit que c'est des touristes. Dans le communiqué du ministère de la Défense, on a parlé de sept touristes, qui six sur place, un qui a trouvé la mort au CSI de Tambou. N'est-ce pas C'est ce qu'on a dit, non Ensuite, maintenant, on sort, on parle, on parle, on parle dans le vent. Parce qu'il faut bien identifier les terroristes. Mais ceux qui sont allés les enterrer, là, les parents de, cette, là, mais attends, ils ont été enterrés par qui Ce pas les gens, les parents et tout et tout. Il faut qu'on arrive à déterminer exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que moi, j'ai dit, je reste sur ma fin jusqu'ici. Parce qu'il faut savoir distinguer les deux, les, deux, les deux factions. Voilà les touristes. Ils n'ont pas droit à un dédommagement. Voilà les civils qui ont été victimes de manière collatérale de ce type de drone suivi de ratissage au sol mené par les éléments de Gersi, qui est un groupe d'intervention rapide qui opère dans la zone. Ça, ce n'est pas ressorti. En tout cas, dans, en tout cas, dans la synthèse que j'ai eue à lire, ce n'est pas ressorti selon vous, euh, ce rapport euh, doit avoir quelques insuffisances. Non, ils ont, recommandé la poursuite des investigations pour pouvoir déterminer exactement l'identité. Parce que l'identité, simplement dit, mais <laughs> alors, il faut les 24 qui ont été internés. Il a fallu que M62 fasse des investigations pour qu'on découvre. C'est quoi M62 M62, c'est le mouvement qui a été mis en place, qui, qui a décidé de prendre en charge ce dossier-là, pour signaler à la CNDH qu'il y a au moins deux morts parmi les 24 ou les 25 qui ont, été amenés au niveau de l'hôpital. Et la CNDH, dans son rapport, a mentionné et a souligné que c'est grâce à M62 qu'ils ont découvert effectivement, ils se sont renseignés au niveau de l'hôpital pour découvrir qu'effectivement il y a eu des deux morts là. Bon, les autres qui ont été libérés, parce qu'ils disent qu'ils ont été libérés, ils deviennent quoi Ils sont dans la nature ou comment Merci beaucoup, Hussein Issa Ajibo. Memoune Diado, le ressort euh, du rapport euh, de la mission de la Commission nationale des droits humains relatif aux événements de Tamou, que 11 civils ont trouvé la mort et 25 blessés contrairement à certaines informations distillées dans certaines presses, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comment l'expliquer Je voudrais d'abord comprendre les 11 civils, y compris les 7 terroristes dont on parle. Ça n'a pas été mentionné dans le rapport. Ce que je suis en train de, de, vouloir comprendre, à part les sept terroristes, il y a encore 11 civils. C'est ça, non Ou bien c'est le tout C'est le tout, le, tout, le tout, 11 civils et 25 blessés. Oui, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que de l'autre côté, on parle de sept terroristes. De l'autre côté, on les prend comme des civils. Des civils, 11 civils. Puisqu'on parle de 11 civils. Donc, c'est comme ce qu'a dit Ousseini. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelle est la preuve qui montre que ce sont des terroristes Il n'y en a pas. Contrairement au communiqué de presse du ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale a dit ce qu'il a à dire. Ça, c'est le côté politique. Qui faut-il croire euh, La CNDH Moi, euh, je, comme, comme, comme l'a dit Husseini, je reste sur ma faim. Mais ce que je sais, je, je crois plutôt en ce que la Commission, en tout cas des droits humains, que ce que nous a fait sortir le ministre. Parce que le ministre parle de sept terroristes tués. Ici, la commission parle de 11 civils. Après investigation. Après investigation, bien sûr. Parce que l'investigation, même c'est, il a fallu d'abord que des organisations de la société civile se transportent sur les lieux pour pouvoir alerter d'abord l'opinion nationale à travers les réseaux sociaux et tout, pour, pour amener la commission nationale des droits humains à sortir pour pouvoir aller, en tout cas, investiguer. Donc, ça veut dire que c'est déjà un plus, en tout cas, pour euh, le peuple nigérien. Parce que à travers le rapport, le peuple nigérien a quand même, même si dans l'intégralité, ils ne sont pas tout à fait satisfaits, ils sont quand même plus proches de la vérité que du gouvernement. Donc, ce qui reste maintenant, c'est, comme il l'a dit, euh, il faut en tout cas approfondir les investigations que... Approfondir encore. Ah, mais oui, approfondir. Qui va diriger cette mission c'est toujours la commission. La commission va doit approfondir, continuer. doit continuer, doit à continuer à investiguer. Parce qu'il y a des sous-entendus. Et tant qu'il y a des sous-entendus, ça veut dire que jusqu'à présent, la mission n'est pas finie. Les investigations ne peuvent pas s'arrêter à mi-parcours. Donc vous entendez aussi un autre rapport. Mais oui. S'il y a un autre rapport, qu'on le fasse et qu'on revient encore pour dire voilà ce que nous avons encore recueilli sur place pour pouvoir augmenter. Comme il l'a dit, les sept terroristes-là, ils ont quand même des familles. Si ce sont des terroristes-là, il faut nous dire un tel, le nom d'un tel, père d'un tel, fils d'un tel. Mais la CNDH a dit, clairement que c'est 11 civils et 25 hum. blessés. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Du moment où on dit 11 civils, alors qu'on parle de sept terroristes C'est le gouvernement, c'est le communiqué du ministère de la Défense nationale qui a euh, clairement dit que c'est un terroristes. Ça, met à nu. Ah. Ça met à nu ce que le gouvernement est venu raconter. Ça met à nu. Et l'institution, je crois que l'institution est dans son rôle. La CNDH. La CNDH est dans son rôle de donner la vérité. Et la CNDH s'est donné les moyens pour pouvoir investiguer, pour pouvoir dire que c'est 11 civils. Parce que la CNDH ne parle pas de terroristes ici. Ousmane Sidikou, peut-on dire que ce rapport vient de mettre fin à ce débat sur les événements euh, du 24 octobre dans la commune rurale de Tamou, département de Saï Loin s'en faut, parce que mêmes l'ont dit qu'il faille pousser les investigations. Qu'il faille pousser, les ça veut dire qu'il faut continuer vraiment pour que euh, l'opinion nationale puisse voir sa lanterne éclairée. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est vraiment un cafouillis en termes de, de, flux d'informations. Tantôt, la voix gouvernementale sort et dit voilà le nombre. La commission qui, il aurait fallu que des organisations de la société civile euh, fassent le déplacement pour constater de visu, pour que cette commission-là s'auto-saisisse pour aller mener les investigations. Malgré cela, euh, vous avez vu, il y a karma euh, un Donc, selon vous, cette affaire est loin d'être enterrée Elle est loin d'être enterrée, elle est loin d'être close tant que la lanterne de l'opinion nationale n'a pas été éclairée. Euh, moi, je pense que c'est pas pour rien que le, dans le rapport de la CNH ils ont dit de pousser les investigations. C'est bon, mais c'est pas encore arrivé. Donc, moi, je pense que il faut ratisser large en incluant tous les acteurs pour que, effectivement, une fois sur le terrain, qu'ils aient le maximum d'informations à même d'éclairer la lanterne et à même de permettre au pouvoir vraiment d'avoir un support pour savoir comment s'y prendre notamment euh, au dédommagement des victimes et même des victimes collatérales. Moi, je pense que euh, cette affaire n'a pas livré tous ses secrets et je saisis l'occasion vraiment pour interpeller aussi bien le gouvernement que les organisations euh, œuvrant dans, les organisations de défense des, droits de l'homme vraiment à créer le cadre pour ratisser l'âge et pour que enfin l'on puisse avoir véritablement de la matière qui puisse permettre de Vous voulez parler d'une synergie d'action entre synergie la CNDH et les organisations, de défense des droits de il, aurait fallu que des organisations de la société civile se rendent sur les lieux pour que cette commission-là et saisisse, indépendamment de, de, ce qui a été dit euh, par la voie gouvernementale. Vous conviendrez avec moi qu'il y a vraiment, euh, je ne dirais pas une contradiction, mais il n'y a pas de concordance entre le bilan affiché et dit par, la, par, par, le gouvernement et... Euh, par le gouvernement, le ministère de la Défense nationale. et le, rapport de la CNDH, laquelle CNDH dit qu'il faut qu'il faille poursuivre les investigations. C'est très important. Donc c'est pour ça que je dis il faut que les les acteurs, les organisations fassent chorus pour se rendre sur le terrain, ratisser, avoir le maximum de formations à même de d'éclairer et de vraiment situer les responsabilités et que tout le monde soit d'accord par rapport au tenant et aboutissant de cette. Ce sont, ce sont là les attentes des Nigériens oui, qu'il faudrait qu'il y ait la lumière, qu'il faudrait que la lumière, toute la lumière, il faudrait que la lumière jaillisse euh, relativement à cette affaire de Tamou qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous conviendrez avec moi. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Merci à nos invités, Memoun Diado, journaliste indépendante, Ousseini Sajibo, journaliste indépendant, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios poursuivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Houssa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.